Le choix porté sur ce site historique de notre pays constitue une preuve de franche collaboration entre nos structures respectives. Je réitère à ce propos mes, remerciements à l'endroit de M. l'ambassadeur Cheikh Oumar Sek, euh, directeur du bureau de coordination du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles COMIAC, et M. Mambiram Faye, président du Conseil national des aînés du Sénégal, CNAS pour cette marque de confiance. Choisir la Maison de la Culture d'Outasek pour abriter cette journée de capacitation des personnes âgées en technique de médiation et de résolution des conflits sociaux et la présence dans cette salle des plus hautes autorités nationales et internationales participe sans nul doute au rayonnement de ce lieu de culture. Encore merci aux organisateurs et soyez rassurés que les portes de la Maison de la Culture d'Outasek resteront toujours ouvertes pour vous. Je ne saurais terminer mon mot hein, de bienvenue sans dire ma considération et ma fierté à toutes les personnes âgées pour tous les services rendus à la nation, mais également leur rôle précieux dans nos sociétés. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Euh, monsieur le représentant de Madame Son Excellence, euh, Madame euh, le ministre euh, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Excellence, Madame, Messieurs les ambassadeurs, excellence, Monsieur le directeur du bureau du COMIAC, ici présent, Monsieur le directeur de la Maison de la Culture, chers représentants des régions et principalement les présidents de chaque région du Sénégal, chers invités, chers responsables à tous les niveaux de la pyramide. Rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a facilité l'accès au bonheur et indiqué le chemin de la victoire. Nous nous réjouissons de cette rencontre dans ce lieu, symbole d'un pan de l'histoire du Sénégal, de l'occupation coloniale avec le commandant français, à la résidence affectée au président Mamadou Dia le site est devenu aujourd'hui tout à sec le roi Christophe, la maison des arts et des lettres. Madame le ministre ou monsieur le représentant de Madame le ministre, dites à Madame le ministre qu'elle nous a fait l'honneur de présider solennellement l'ouverture de cet important atelier sur le thème technique de médiation et de résolution des conflits, une activité inscrite dans nos missions et dans notre plan d'action. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame, Excellence, représentants de l'OCI, il faut que j'en parle même s'il n'est pas là, vous défendez avec véhémence et élégance les bonnes vertus et les bonnes pratiques de votre prestigieuse organisation, l'OCI, cette organisation mondiale qui regroupe toute la islamique, soyez honorés, vous qui élevez les aînés à un haut rang. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, directeur du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, vous avez fait preuve d'une attention singulière à l'égard des aînés tout au long des préparatifs de cet important événement, conjointement avec le Conseil national des aînés du Sénégal, interlocuteur principal des personnes âgées auprès des autorités de la République et de nos partenaires. Cette belle rencontre, retardée par la COVID, vient à son heure pour un partage d'idées sur un thème plus que d'actualité et qui intéresse la vie de la cité. Madame le ministre ou le représentant des Affaires étrangères, la diplomatie sénégalaise qui conserve ses lettres de noblesse et son leadership fait notre fierté. Elle s'est encore enrichie grâce à la confiance de notre partenaire, la FIAPAS et la Fédération internationale des associations de personnes âgées qui a accueilli à l'unanimité notre adhésion dès la naissance du Conseil national des aînés en 2019 et qui nous a fait la proposition d'être l'un des représentants du groupe vieillissement aux Nations Unies pour l'année 2021. La contribution du Conseil national des aînés s'est fait sentir par visioconférence et vous savez, la situation se prêtait à ça, pour faire sentir les travaux, dans les travaux du groupe du vieillissement, notamment sur les valeurs de solidarité nationale et mondiale. Vous êtes, Madame le ministre des Affaires étrangères, vous le dites s'il vous plaît, vous êtes la première dame à diriger ce département avec aisance dans le respect de nos belles traditions républicaines. Je mesure la sensibilité de Madame le ministre sur la question de nos déplacements à l'extérieur qui nécessitent de fait un passeport diplomatique ou un passeport de service. Alors, vous savez, les procédures d'accès au visa sont si difficiles et souvent l'international a besoin de nous. Il va falloir que nous puissions réagir aussitôt. Grâce à la sollicitude donc du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, et grâce à sa volonté politique plusieurs fois exprimée, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le canal de la Direction générale de l'Action sociale, a travaillé depuis plus d'une décennie avec l'ensemble des acteurs sur le processus de mise en place de ce cadre représentatif de toutes les organisations de personnes âgées du Sénégal et ce maillage a été effectif dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements du Sénégal et dans certaines communes. Nous ne doutons pas de la volonté politique du président à appliquer les conclusions de nos assises du 19 novembre 2019, document de synthèse commenté en Conseil des ministres du 25 novembre 2020 et ainsi l'arsenal juridique ne manque pas pour la reconnaissance du Conseil par une loi, Monsieur le représentant, et justement le président aura ainsi marqué de son empreinte la postérité. Déjà, le Sénégal est dans de bonnes dispositions pour ratifier la Charte africaine des droits des personnes âgées portée par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection sociale et par tous les autres sectoriels. Notre pays aura anticipé sur les récentes recommandations des Nations Unies relatives à l'élaboration d'une convention unique internationale applicable dans tous les pays en faveur des personnes âgées pour une solidarité effective. L'école des aînés est conçue pour être un grand espace d'accueil et d'accompagnement pour les générations futures au moment où nous sommes tirés par l'avenir et pour l'avenir. Les leçons de sagesse jalonnent notre histoire et forgent notre destin. Que dire de ces trois figures emblématiques les vénérables guides religieux, Serine Seydou Nouroutal, Serine Elage euh, Faliloumake et Serine Babakarsi, qui étaient côte à côte sur une belle photo ce 22 avril 1947. Mais je n'oublie pas, bien sûr, Seydina Limamoulaye, Boukounta Ndiassan, Elage Ibrahim Agnas, Cher Sadibou Aïdara et tant d'autres individus. Ces hommes alliés l'art et la science, la culture et l'éducation, à l'image de leurs illustres devanciers qui ont marqué leur temps dans la recherche de l'équilibre social avec discrétion, mais aussi avec fermeté. L'œuvre du vénéré Mam Abdul Aziz Dabar et celle des générations postérieures, celui Murtaha Maké, une Babakassi et consorts, et tous, sans oublier nos parents chrétiens, pour ne citer que cela, constituent des références sûres d'engagement pour la stabilité de notre pays. La ferveur de leur discours et la sacralité du verbe articulé parviennent toujours à triompher devant l'épreuve. Mes chers responsables, venus de toutes les régions du Sénégal, et des départements du nord comme du sud, d'ouest et de l'est, et enfin du centre, voici les aînés rassemblés qui ont tout à donner généreusement. À l'image de ce pèlerin, armé de son bâton pacifique et de son outre, pour rappeler les hommes les bonnes pratiques, aux hommes les bonnes pratiques séculaires adapté à nos cultures, à nos valeurs. Le pays attend de nous un comportement à l'image de ces hommes, de ces femmes qui ont imprimé de bonnes pratiques culturelles et forcent l'admiration de notre peuple et de l'Afrique tout entière. À l'issue de cet important atelier, je demande à ce que chaque responsable outillé, multiplie les acquisitions au niveau de toutes les instances du Conseil national des aînés du Sénégal, ceux-là qui doivent jouer, ces hommes, le rôle d'alerte, de guide, de conseiller et de médiateur, enfin. Je sais que l'État du Sénégal, Monsieur le représentant, accompagnera les aînés dans ces belles œuvres de sagesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Excellence, euh, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Madame la représentante du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs accrédités au Sénégal, merci et soyez les bienvenus. C'est une fierté de vous avoir ce matin avec nous. Mesdames et Messieurs les panélistes, Monsieur le Président du Conseil national des aînés du Sénégal, Mesdames et Messieurs, Mesdames les participants, chers invités, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et vous remercier par la même occasion d'être venus si nombreux assister à cet important atelier. Ceci évidemment est une preuve que la question des personnes âgées est une préoccupation de nous tous et que la nécessité de leur intégration dans la vie économique et sociale est aujourd'hui de plus en plus comprise je voudrais particulièrement adresser mes vifs remerciements au secrétaire général adjoint, à l'ambassadeur, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, ici présent, M. Pierre Fay, qui représente Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Elle voulait bien venir à cet atelier, présider la cérémonie solennelle d'ouverture mais elle a un calendrier chargé avec une réunion ce matin au ministère. Elle m'a même dit, si le temps lui permet, elle viendra dire un bonjour aux aînés du Sénégal. Mais je voudrais, l'ambassadeur secrétaire général adjoint, vous remercier, parce que nous savons aussi que votre calendrier est chargé. Mais vous avez bien voulu venir pour présider à la place du ministre cet important atelier. Soyez notre interprète auprès de Madame le ministre Aïssata Tal Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Parce que depuis son arrivée au département, à chaque fois que de besoin, elle nous a toujours soutenus pour que la volonté de Monsieur le Président de la République de redynamiser le Comiac soit une réalité pour le grand bonheur de la Oumma islamique. Je me réjouis également de la présence dans cette salle des hautes personnalités je vais quand même vous rappeler quelque chose. Le COMIAC, le Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles, est un comité de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Le COMIAC existe depuis 1981, à côté de trois autres comités, qui sont le Comité pour l'économie et la coopération internationale, le COMSEC, qui se trouve en Turquie, le comité pour la science et la technologie, le Comstec, qui se trouve au Pakistan, et le comité Al-Quds, que vous connaissez tous, pour les droits inaliénables du peuple palestinien, qui se trouve au Maroc. Voilà les quatre comités de l'OCI. Ces comités que je viens d'énumérer ont pour responsables les rois et les chefs d'État que je viens d'énumérer. Le Comiat a pour président le président Macky Sall. Ils sont basés dans ces pays respectifs. Chargés de réaliser des progrès sur des questions importantes, la technologie, domaine scientifique, économie commerciale, culturelle et information, en ce qui nous concerne, nous, au Sénégal. Le Comiat est chargé d'assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'OCI dans son domaine. Le Comiat également doit examiner tous les moyens de renforcer la coopération entre les États membres et envisager des programmes et des propositions de nature à accroître la capacité des États dans ces secteurs. Cependant, depuis sa création, le COMIA quand même était resté en léthargie. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas le COMIA, ou bien ils viennent de connaître le COMIA. Ils commencent à connaître le COMIA. Pourquoi Parce que c'est seulement en 2014 que le président Macky Sall, qui est le président du COMIAC, conscient du rôle important que le COMIAC doit jouer, a institué par décret numéro 2014-91 du 3 février 2014 un bureau de coordination doté d'un personnel propre pour l'assister dans ses fonctions de président du COMIAC et m'a fait l'honneur de me porter à la tête de ce bureau comme directeur avec grand ambassadeur je dois à cette occasion, ici et présent, remercier le président de la République. En 2014, je venais tout juste de quitter la RTS. Je venais de quitter le poste de directeur de la télévision. Euh, j'ai ici d'ailleurs un de nos confrères qui était également directeur de la télévision, M. Ibrahim Souleyman Diaye, qui est là, que je vous demande d'applaudir, parce qu'il est venu. Alors, c'est en quittant la RTS que le président m'a proposé, je dois à cette occasion ici le remercier. Depuis lors, le bureau de coordination a organisé beaucoup d'activités dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans d'action et compte tenu des grandes sessions présidées par M. le Président de la République, ces sessions qui regroupent à Dakar tous les trois ans les pays membres de l'OCI. C'est dans cette optique que le Bureau de coordination du COMIAC, en collaboration aujourd'hui avec le Conseil national des aînés, organise pour les personnes âgées cet atelier de formation sur les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux. L'objectif visé aujourd'hui à travers cette noble initiative est qu'au sortir de cette rencontre, que les participants ici présents soient davantage renforcés et mieux outillés pour mieux apporter leur précieuse contribution dans la prévention, la médiation et le règlement des conflits sociaux. C'est d'ailleurs un des rôles que nos aînés ont toujours joué et continuent de jouer. Il l'a rappelé, les chefs religieux ont souvent joué ce rôle, l'Église catholique, la société civile. Récemment, nous avons tous salué la belle initiative de notre guide vénéré, Serigne Moutaham qui est intervenu lors des événements de mars et qui a, comme on dit, désamorcé la bombe, qui a ramené la paix sociale dans ce pays. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui pour avoir ces techniques de médiation pendant toute ces journées. Nous pensons que, Inch'Allah, vous les aurez. Parce que l'atelier vise également à pousser la réflexion sur les voies et moyens d'accélérer le processus de votre intégration dans la vie socio-économique. C'est une première parmi les nombreuses activités que nous allons avoir au cours de cette année 2021, Inch'Allah. Et au cours de nos travaux, nous pourrons partager nos réflexions sur le thème qui, sans nul doute, remettra au goût du jour la problématique de la place des personnes âgées dans nos sociétés. Pour terminer, je dois sincèrement remercier le président Mambiram Faye. Je vous demande de l'applaudir. <laughs> qui est le président du Conseil national des aînés, qui est venu me voir. Nous avons discuté et nous avons trouvé que le sujet était tellement beau de réunir nos aînés, de les écouter, de les initier. Donc, euh, Monsieur le Président, je dois vous remercier. Je dois encore une fois remercier le secrétaire général adjoint, M. Pierre Fay. C'est un jeune diplomate qui est au ministère des Affaires étrangères, ils ont un temps tellement chargé que les décrocher, c'est tout un problème. Et le ministre lui a demandé de venir. Il n'a pas hésité un moment. Il est venu nous accompagner ce matin. Je dois également remercier pour terminer ces ambassadeurs, parce que c'est vous l'OCI. L'organisation de coopération islamique, c'est vous, les ambassadeurs des pays accrédités au Sénégal, des pays arabes. On va vous remercier. L'OCI qui est cette grande organisation qui regroupe 56 États de la Ouba islamique et qui œuvre pour le bien de l'islam, pour défendre les valeurs de l'islam. C'est ça l'objectif de l'OCI, en dehors de son essence qui est la Palestine. Aujourd'hui donc, nous devons vous remercier. Le Sénégal a abrité plusieurs fois les travaux de l'OCI. Et je pense que, Inch'Allah, à l'avenir, on aura l'occasion aussi d'abriter un sommet de l'OCI. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à nos travaux. Je dois, avant aussi de terminer, féliciter et remercier le directeur de la Maison de la Culture d'Oudesec. Merci beaucoup. Merci. Bureau du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, Monsieur le Président du Conseil national des aînés du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Directrice Générale de l'Action Sociale, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités. C'est un honneur autant qu'un plaisir d'être ici ce matin pour présider au nom de son Excellence Madame Aïssata Talsal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, cet important atelier de formation organisé à l'intention des personnes âgées. Monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, Madame le ministre n'a pu honorer de sa présence cette importante rencontre en raison de contraintes de temps. Je me fais donc le plaisir de vous adresser ces chaleureuses félicitations. Votre présence massive dans la salle témoigne à suffisance de l'intérêt que vous portez à l'invitation conjointe du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles, COMIAC, et le Conseil national des aînés du Sénégal, CNAS. Qu'il me soit dès lors permis de saluer les efforts consentis par M. Cheikhou Oumar Sek et Mambiram Faye, respectivement directeurs de ces deux structures et présidents, ainsi que leurs collaborateurs pour leur investissement personnel en vue de la tenue de cette journée qui s'inscrit dans le sillage déjà tracé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, au profit de cette importante couche de notre société, je veux nommer les personnes âgées. J'associe donc à ces remerciements Monsieur le directeur de la Maison de la Culture Sec qui abrite cet événement. Mesdames et Messieurs, cet atelier naît de la volonté commune des deux structures que je viens de nommer tout à l'heure a pour objectif de renforcer les capacités des personnes âgées afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au sein de nos sociétés. Il s'agit ici de consolider ce rôle de conseiller, de régulateur social, de médiateur, de rassembleur qui caractérise tant les personnes âgées que nous entendons replacer au cœur de la vie sociétale dans un contexte où le terrorisme se nourrit entre autres des, tensions sociales. Mesdames et messieurs, chers participants, les techniques de médiation et de résolution de conflits sociaux sur lesquels vous serez invités à vous prononcer et à discuter est un thème ô combien actuel au vu de l'acuité sans cesse croissante des tensions sociales. Voilà qui justifie l'attention particulière que nous accordons à nos chers panélistes, M. Momar Khan, docteur en travail, professeur en gérontologie, et Mme Djenaba Dabo, professeure de médiation et de gestion des conflits, formatrice à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés et responsable de l'unité de recherche. Mesdames et messieurs, la question des personnes âgées occupe une place privilégiée dans les politiques et programmes de l'Organisation de coopération islamique, OCI. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un atelier sur l'amélioration de l'état des personnes âgées dans les États membres de l'OCI a été organisé les 24 et 25 avril 2018 à Jeddah, en Arabie saoudite, pour une prise en compte efficace par les gouvernements des pays membres des défis liés à cette catégorie. L'Organisation de coopération islamique invite vivement ses États membres, ses organes et institutions spécialisées à œuvrer dans le but d'assurer le bien-être social et économique des personnes âgées. Au plan international toujours, il convient de souligner, pour s'en féliciter, l'engagement dont fait preuve le Sénégal aux côtés d'autres acteurs dans la prise en charge de la problématique du vieillissement, à l'instar de la deuxième Assemblée mondiale à lui accordée tenue en 2002 et qui a vu l'adoption du plan d'action international de Madrid sur le vieillissement. Avec ce plan d'action, le monde a connu une nouvelle approche face aux multiples défis liés aux personnes âgées et s'est doté par conséquent d'un nouveau cadre sur les opportunités et les défis de ce phénomène. Au Sénégal, les personnes âgées ont toujours participé et de façon active à la vie économique, sociale, culturelle et politique de la société. C'est conscient de cela que son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, a pris la judicieuse décision d'instruire lors du Conseil des ministres du 24 juillet 2019 la tenue de concertation nationale sur le rôle et la place des aînés dans le développement. Mesdames et Messieurs, chers aînés, c'est tout le sens de l'engagement du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à travers le bureau de coordination du COMIAC pour replacer cette vaillante couche au cœur de notre société. Je voudrais donc saluer cette collaboration du COMIAC avec des structures comme le CNAS, dont l'objectif est de renforcer le potentiel des personnes âgées à contribuer non seulement dans la médiation et la résolution des conflits, mais surtout dans la prévention. Comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. En Wolof, nous disons Fagaru Mogen Fayou. Mesdames et messieurs, je ne doute point que ces quelques réflexions introductives trouveront un écho beaucoup plus large au, cours de vos échanges, avec surtout l'idée de faire des recommandations lesquelles pourraient alimenter le processus décisionnel de nos autorités. Je ne saurais conclure mon allocution dans le contexte de cette pandémie de Covid-19 si dramatique à l'endroit de cette catégorie de personnes aujourd'hui à l'honneur et en dépit de l'évolution positive de la courbe de la maladie dans notre pays, sans pour autant inviter au respect scrupuleux des mesures barrières. Je voudrais ainsi relever, pour la saluer, l'action de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui depuis son accession à la magistrature suprême ne cesse de poser des actes allant dans le sens de la redynamisation du dit comité permanent. En définitive, je voudrais exprimer à nos chers aînés mes voeux de santé, de bonheur, de succès pour vous, mais surtout pour vos familles, et prier le bon Dieu de couvrir notre pays de ses grâces infinies pour un Sénégal de paix, de concorde et de progrès. C'est sur ces notes que je déclare ouvert l'atelier intitulé Techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux. Je vous remercie de votre Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à présider au nom de euh, Madame, euh, son Excellence Madame Aïssata Talsal, euh, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, cette importante rencontre euh, à l'initiative du bureau du COMIAC et du Conseil national des, aînés du, Sénégal pour euh, un séminaire de, de formation dans les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été ici et j'en profite pour féliciter les deux structures à l'initiative de cette c'est euh, importante rencontre, euh, tant euh, l'intérêt n'est plus à démontrer quand on connaît la place des personnes âgées dans nos sociétés. le vieillissement n'est pas un inconvénient, c'est une opportunité dans nos sociétés. Et donc c'est dans ce cadre-là que Madame le ministre des Affaires étrangères m'a chargé de venir soutenir ces deux structures dans le renforcement de ces, de ces capacités. Merci donc euh, dañ ñëwoon tey euh, taxawu euh, bureau de coordination ou COMIAC COMIAC est nekk ben kuréel bu bokk ci OCI OCI di Oumma islamique Sénégal di ko jiite ñu président de la République T'ay nag ak beneen kuréel buy saytu l'OCI lu jëm ci Magni, ñi Sénégal nous euh, avons organisé un euh, séminaire pour dégager les magni qui ci ni ñuy saafara jafé euh, jafé yi am ci suñuy société hein. et donc madame le ministre des affaires étrangères son excellence madame Aïssata Tansal Sall ma ma ñëw fii présider ko cérémonie d'ouverture bi ngir taxawu et puis ma ciy profito pour remercier vraiment euh, suñuy ñaari euh, naataango yooyu euh, ambassadeur Cheikh Oumar Seck ak le président Mame Fay Faye pour ci sen taxaway taxaway bu rafet la ndaxte xamnañ rôle bi nga xamantene mom moom la mag di jouer ci suñu société yi dama ko wax légui ni ci ci tubaab mag matna ba ci rew donc nekul ci ñun au Sénégal ben problème mais atu la atu boo xam ne nag dañ ko wara a dëgëral waaw ci ci tank yoyu lañu nek pour euh, vraiment euh, jappalé len et vraiment ñu ngi xaar euh, euh orientation yu muccu ayib ci atelier bi nga xamantene mom lañu ñëwon tay ji tey jii merci beaucoup. Voilà, je voudrais me présenter. Euh, je m'appelle Cheikhou Oumar Sek, ambassadeur, directeur du COMIAC. Le COMIAC, c'est le comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. Je vous remercie parce que je suis de la profession. C'est quand j'ai quitté la RTS en 2014 que le président de la République m'a fait l'honneur de me porter à la tête de ce comité de l'OCI qui s'occupe de l'information et des affaires culturelles. J'ai rappelé tout à l'heure que le Comiac existe depuis 1981, mais il était en léthargie. C'est seulement le président Macky Sall qui a pris l'initiative de le redynamiser en mon nom à la tête de ce comité. Ce comité, tous les trois ans, organise une session qui regroupe tous les représentants des pays de la Ouma islamique. Ces sessions sont souvent présidées par le président Macky Sall, qui est le président du Comiac. Cela se passe souvent d'ailleurs dans un grand hôtel de la place. Et entre les deux sessions, nous avons des organisations sur le plan national, comme celle-ci, qui aujourd'hui invite les aînés avec le Conseil national des aînés du Sénégal pour un atelier qui va permettre aux aînés d'être vraiment au courant des techniques de médiation des conflits sociaux. C'est extrêmement important parce que vous savez au Sénégal, les personnes âgées, les aînés, ont toujours joué un rôle pour ramener la paix quand il y a des conflits sociaux. Les chefs religieux l'ont fait, l'Église catholique l'a souvent fait. Et récemment, lors des événements de mars, vous avez vu la belle initiative de Seigne Mountaha que tous les Sénégalais ont salué. Grâce à lui, comme on dit dans notre jargon, la pompe a été désamorcée. Alors aujourd'hui, ici à Sec, il y aura des professeurs qui sont aguerris à la matière et qui vont initier les personnes âgées à ces techniques de médiation pour leur permettre demain, on ne le souhaite pas, s'il y a des conflits, que ces personnes puissent intervenir pour ramener la paix. Donc ça, c'est la première activité d'une série que le COMIAC envisage de faire. Peut-être demain, comme on l'a fait il y a des années passées, ce sera la presse qui sera à l'honneur pour les initier aux, activités de l'Organisation de coopération islamique, pour permettre à notre presse de mieux connaître l'OCI. D'ailleurs, je dois vous informer que le président Macky Sall, qui est le président du comité, prendra, Inch'Allah, l'initiative de lancer un prix pour les médias. Les médias qui s'illustreraient dans la promotion des valeurs de l'islam. C'est un projet j'espère que le Sénégal j'espère que les journalistes du Sénégal gagneront ce prix là Je vous leen di vous di leen sant di leen gërëm bu baax tey que fi indi moo doon rek euh, ndaje bu am solo comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles le président Macky Sall du co diriger dañ fi ñëwoon ngir def réunion boo xam ne ministre des affaires étrangères moo yebal ku ko présider moom maroon fait ñëw calendrier am dafa chargé ñu ngi koy gërëm ci loolu bu mag ñi wax nañ ko dañ leen a war a bàyyi cim réew ndaxte mag ñi ñu am importance ci réew lañu suñu amee jaaxle dañuy daw dem ci ñoom atelier bi ñu def Douta sekk nag pour permettre leen ñu gën a am doole ngir bu conflit amee ñu ñëw intervenir def nañ ko fii Sénégal yàgg nañ ko fi des suñu mag yi dañ ko fi def suñu chef religieux yi dañ ko fiy def suñu église catholique dafay def événement yi passé xam ngeen ni bu dul woon intervention suñu guide

bu ñu technique yoy lañuy am ba nga xamni bu conflit amé rek inshallah allah fu ñu taxaw wax dinañ leen dégg jamm dal di ñëwaat. Euh, mag ñi nekk fi xam ngeen ay mag ñu retraité lañu. dafa nekk aussi atelier bo xamni day continuer processus intégration mag ñooñu dans la vie sociale souvent dañuy faté mag ñi. te pourtant kenn war leen faté. motax ñu leen di ramener amna ben conseil des ministres bo xamni en 2019 le président Macky Sall avait demandé à ce qu'il y ait des concertations pour la promotion des personnes âgées. C'est ce qu'on doxal fi fait. ne ci L'objectif lan euh, Nous avons comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles Les OCI organisation de coopération islamique nous fait ko ko doxal ci le bureau information ñun sommes koy tasaare. ñun ñoo Maintenant, nous avons projet leen projets di ngeen ko yëg actuellement ñu ngi liggéey pour mu am une télévision de la Oumma islamique ñëpp di ko seetaan loolu la ñuy liggéey comme yàgg lépp loo xam ne culture la day dajari réew yi pour ñu xamante malien bi xam saoudien bi saoudien bi xam sénégalais bi sénégalais bi xam nigérien bi loolu la ñuy dox ñun. au sortir de cet atelier lan ngeen ci nam. lan ci nam mooy mag ñi daal incha ci atelier bii fépp fu ñu taxaw conflit am fa dinañ armé wu ci ay techniques yoo xam

xam nga ni wax nga dëgg dafa bari trop ci réew yi léegi te ñun suñu wareef mooy rek di def yu mel nii di woo mag ñi di approché yi nga xam ne am nañu ay technique am nañu xam-xam ci loolu pour gën a ñaax surtout jeunesse bi parce que crise de valeur yi ñoom la gën a touché ñun comme yàgg dañuy liggéey ci loolu pour que jeunesse bi face à ces crises de valeur là bañ a bañ li wax bañ pour loolu bañ leen a affecté crise de valeur yoy nak lañuy ñuy pour mu pour mu jóge non seulement ci Sénégal mais ci umma islamique bi yépp té am nañ ci ay résultats yu bari bari parce que légui xolal ndaw yi ñu ci bari ñu ngi wacc alcorane ñu ci bari ñu ngi jang ñu ci bari ñu ngi gëstu té loolu lépp buñ ko armé wo duñu dem ci domaine yo xamni dina leen def crise valeur yoy merci ben je m'appelle euh, Mambiram Faye et je suis le président du conseil national des aînés du Sénégal qui regroupe toutes les organisations de personnes âgées du Sénégal. Euh, c'est un processus sur lequel nous avons travaillé pendant plus de dix ans. Que vous apporter cet atelier ah, Très bien, une bonne question. C'est un atelier de renforcement des capacités des personnes âgées. Il est évident que les personnes âgées ont déjà eu un parcours leur permettant de régler un certain nombre de conflits au niveau des familles, au niveau des quartiers, et à un niveau supérieur. Euh, il est évident également que les personnes âgées doivent euh, continuer à apprendre. On apprend tout au long de la vie. Ça figure dans les textes des Nations Unies et autres. Euh, donc cet atelier, c'est pour équilibrer, c'est pour stabiliser nos connaissances qu'il faudra partager dans l'ensemble du Sénégal parce que nous existons partout dans les régions, dans les départements, dans certaines communes, de certaines communes du Sénégal, pour que les personnes âgées aient un esprit d'alerte sur toutes les questions euh, relatives à la vie de la cité. waaw euh, jàng du euh, remercier encore une fois l'ambassadeur du Comiac, mon moo euh, taftal euh, madame euh, le ministre de la santé et enfin plutôt monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale et madame le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur je vous rappelle tout simplement que nous avons terminé depuis novembre la ah oui depuis mois de novembre

kon bon am nañu baat ci njabot gi war di waxtaan ak ñom ñu bañ di réer di jéggani leneen lu nga xamé né bokku ci lu nu moom ñun. ci rënd lan ngeen di xaarandi ci euh, président de la république. oui président de la république def na ben effort comme tous les autres présidents ni ñu ko défé ci yefu maki yi mom moom daf yokkat yokkaat ndax ci bu toogee diggu conseil des ministres daan ne sant naa mag ñi ñu xalaat. faram faccé seni xalaat djebul mako ma sét luñu bëgg ak fuñu wara jëm lolu def nañ ko mom la wax légui paré nañ ko depuis mois de novembre djebul ko keydje ya, mom mo wara jël matukayam nak légui